c'est Lindao. Euh, je suis le coordonnateur euh, du Rassemblement des enseignants pour le développement. Euh, nous avions donc rendu visite aujourd'hui Madame Gérardine, qui est la gérante donc, de cette poupinière qui est au quartier 15 en Bougou. nous avions donc, nous, RED, jugé nécessaire de venir donc la rendre visite avec ses enfants pour essayer vraiment nous aussi euh, de l'aider euh, par rapport donc euh, à ce mois béni du mois de Ramadan. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on sait que Gérardine, elle a beaucoup d'enfants qu'elle gère et elle n'a pas donc beaucoup de soutien. Raison pour laquelle nous sommes une structure qui travaille donc avec le ministre Sidiki Kaba. Et hier, on a vu donc dans tout en bas euh, on parlait donc du nom de notre cher mentor. Il a eu donc euh, à distribuer 1000 euh, sacs de riz de 50 kg. Il a distribué aussi 1800 grosses de sucre. Il a distribué 900 cartons de dattes, 200 cartons d'huile, 300 cartons de lait, 300 cartons de macaroni. Euh, bon, pour ne citer que cela, parce qu'on peut dire qu'avec le ministre Sidi Kaba, c'est le social donc à l'infini. Et aujourd'hui, nous aussi, nous voulons emboîter donc ces pas. Raison pour laquelle nous avions amené 5 euh, sacs de riz, euh, plus 20 litres d'huile, euh, plus euh, deux grosses euh, donc, de sucre, 10 kg, et aussi deux sacs de macaroni. Donc là, vraiment, si on avait beaucoup plus, on allait vraiment amener, même un carton aussi de lait, on l'a amené. Euh, donc euh, vraiment, on vous dit Gérardine, euh, ce n'est que partie remise, Inch'Allah. Peut-être les jours à venir aussi, on aura vraiment autre don aussi à amener pour nos enfants. Et là aussi, ce que nous a plus rassuré, on a trouvé aussi l'homonyme de Maître Sidik Kaba. Et là aussi, vous avez dit qu'il est major Hein, euh, aujourd'hui donc de sa classe. Et là aussi, on peut dire que aujourd'hui, il est en train euh, de suivre euh, les pas donc de son homonyme. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le ministre Kaba, il est le premier donc de sa génération. Et là, on applaudit et on prie au bon Dieu vraiment que son homonyme aussi puisse emboîter ses pas, puisse aussi vraiment les jours à venir créer même pourquoi pas une maison pour euh, ces enfants-là aussi. Vraiment, c'est ce qu'on avait à dire. Pour vous dire, euh, vraiment, on vous soutient et on prie Dieu aussi pour qu'il puisse euh, accomplir vos désiderata sur tout ce que vous avez pour ces enfants-là. Que Dieu exauce toutes ces prières-là. je vous remercie. Ok, je suis la directrice de l'orphelinat et de cœur, Madame Magassa Géraldine Bidjar. C'est avec un grand plaisir, une grande joie de vraiment accueillir, accueillir ce don euh, de, du rassemblement des enseignants pour le développement de Tamba. Et je vois que né, vous n'avez pas fait de partialité parce que ces enfants vraiment ne m'appartiennent pas à moi seul. Ces enfants appartiennent à toute personne censée vraiment au développement de, euh, des droits de l'enfant et du développement de l'enfant en général. Et oui, je ne manquerai pas aussi vraiment de vous faire part euh, de nos mots. Je ne manquerai pas aussi de vous faire, de, de vous donner quelques doléances. C'est vrai que ces dons sont venus à l'improviste qui nous a beaucoup, qui nous aidera, qui nous a fait beaucoup de plaisir aussi. L'orphelinat vit une situation très difficile. Moi, je suis aide-infirmière. C'est de là que j'ai vu que euh, Tamba avait besoin d'une maison d'accueil voyant que les enfants venant des différentes localités, parce que nous recevons ici des enfants de la sous-région même, il y a des enfants de la Gambie, de, euh, du euh, de la Mauritanie, et euh, du Mali et tout ça. Et vous voyez que les problèmes qui surgissent de partout. Et qu'aujourd'hui, vraiment, vous qui êtes venus ici au niveau de l'orphelinat, c'est une grande occasion aussi de nous pleurnicher nous pleurnichait l'orphelinat. Nous sommes en location. Voyant les charges fixes, s'il s'ajoute aussi la location qui s'élève à 100 000 francs, le transport des enfants pour la scolarisation. Et je dis que vraiment, je suis très content. À ce mois béni du Ramadan, Yalla nañu le bois, les bi parce que <laughs> mon man na créer mais yéen ñi nga xam ne yen ay ñëw di dooleel li nga xam ne mooy orphelinat bi su nekkutoon yéen tamit duma taxaw merci.